Autant ou encore l'agriculture était rentable, ce sont les semences traditionnelles ou locales qui étaient utilisées par les producteurs. On distingue les semences de mille appelées zongo ou henikirei, le niébé lakadé et le sorgo motamaradi entre autres. Ces variétés ont un cycle long, elles mettent entre 4 à 5 mois pour mûrir. Mais depuis quelques années, avec la faiblesse des rendements due à la rareté de pluie, une nouvelle variété de semences est utilisée progressivement par les producteurs. Ce sont les semences améliorées ou conventionnelles. Présentation de la semence améliorée avec Issa Haruna, responsable de l'unité semencière de l'INRAN de Maladie. Les semences conventionnelles, c'est des semences qu'on obtient après un croisement. Par exemple, il y a une, variété qu'on appelle le P3 Colo, c'est le mille. C'est le croisement entre la variété Zongo et la variété Henikri. Pour mettre au point les variétés conventionnelles, il faut au moins 8 ans. Et ces semences ont de bons rendements. Il y en a qui sont précoces, il y en a qui sont à cycle intermédiaire ou à cycle long. L'Institut national de recherche agronomique de Maradi dispose d'une unité sémencière où les chercheurs produisent les semences de base appelées G4. Ce sont ces semences qui sont vendues aux producteurs privés de semences pour une production à grande échelle. Abdoulaye Tounaou est le responsable de la ferme sémencière Mahaz, une ferme spécialisée dans la production de semences améliorées du mil, sorgho et niébé. Pour avoir la semence améliorée, d'abord, il faut acheter la G4 qu'on achète auprès de, de de l'ICRISAT. Une fois cultivée avec euh, toutes les normes respectées, on aboutit à la semence R1 ou R2 pour euh, les revendre à l'État, aux ONG, aux projets qui en font la demande. Cependant, bien que ces semences soient plus adaptées au changement climatique et aux saisons de plus en plus courtes et donnent des bons rendements, les producteurs ruraux l'utilisent très peu. Issa Haruna de l'INRAN croit savoir la raison. La première raison, c'est que, bon, à un moment donné, il y a beaucoup de partenaires qui appuient ce secteur. Par exemple, la FAO, la SNM e et autres. Donc, c'est eux qui appuyaient beaucoup les paysans. Maintenant, ces partenaires-là, ils se sont retirés. En tout cas, la plupart se sont retirés. Et peut-être aussi, il y a un problème de moyens. Peut-être que les gens n'ont pas les moyens d'aller acheter ces, ces à les chercheurs qui créent les semences conventionnelles ou améliorées sont appelés sélectionneurs. Avant de mettre au point la variété, ils vérifient d'abord auprès du producteur le type de semences qu'ils désirent avoir. Et cette décision est prise en fonction du type de sol, de la fréquence des pluies et de la résistance aux ennemis de culture. Mohamed Maman, depuis Maradi, pour le studio Kalangou.